Comme, on, vient de l'assister, le panel, euh, c'était sur l'éducation des jeunes filles. Et je pense que nos tontons et tata ici présentes ont bien, vraiment bien expliqué, ils nous ont bien expliqué comment ça se passe avec l'éducation des filles. Comme je suis là, présente, je suis j'ai réussi cette année mon, ma sixième année plutôt à l'INSEP, donc je suis professeur de PS. Bon, je peux parler un peu sur euh, l'éducation des filles. Par exemple, si on ne m'avait pas laissé aller à l'école. Donc si mes parents n'étaient pas là, ou bien mes coachs et consorts, pas, je n'allais pas arriver jusque-là. Je pense que les filles doivent avoir le, le, le, premier rôle. Quoi. Moi, c'est mon objectif. je suis dans ça, c'est-à-dire avoir le premier rôle à chaque fois. Et je pense que je vais aider tous ceux qui tournent autour de moi, surtout les filles, parce que, à aller de l'avant et chercher les, les premières places. On a fait des équipes mixtes. On n'avait pas beaucoup de monde. Et comme les garçons étaient là, là le tournoi c'est en général, on le met pour les filles. Le panel, comme le panel là, vient de le dire, l'éducation des filles, Nyana, elle est, je peux dire elle est féministe comme moi. Elle aime trop faire avancer les filles comme elle, elle, euh, elle a beaucoup avancé dans la vie. Chapeau à elle. Bouba, ce que nous avons dit, naka la ñuy def ndax ñëpp seetlu nañ ne Sénégal jigéen ñi ñu ngi dugg école ndax soo seetloo euh, ci école élémentaire bi jigéen ñi ñoo ci ëpp mais soo demee ba ci école moyen secondaire ba université góor ñi ñooy ëpp waxtaanee nañ lan mooy lan moo ko waral lan mooy frein donc loolu wax nañ ñi ci biir waxtaan bi génne nañ lu mel lu mel pauvreté nga xam ne am parents yoo xam ne seen seen loxo dafa jotul seen ginnaaw wax nañ lu mel ni les grossesses précoce wax nañ également menstrues yoo xam ne tey xale yu gis jigéen ñu gis règle nga xam nekk ci lycée yi Euh, souvent dañuy dem ba nuñ partager toilette yi ak ak ak ak góor ñi ak nuñ dud am serviette day tax ñu tok ci kër gi ñetti fan yi ñuy tok wala juroomi fan yi ñuy tok mëna am galanko sen sen jang donc yooyu yëpp waxtaanee nañ ko ba nga xamné ne euh, nañ également solution yi manam nañu ñaax état bi ñaax collectivités territoriales yi pour que ñu dugal seen loxo ci ci ci école yi euh, ci ci lycée yi pour que vraiment ñu mën leen jënd serviette hygiénique pour que ñu mun a toog